La population de, Zender est beaucoup touchée par ce phénomène de migration et de, trafic euh, donc de personnes vers le nord et par la suite à la traite. Et la traite qui est la conséquence donc de ces, migrations clandestines. Le centre a accueilli combien de personnes 237 victimes qui ont séjourné, dont le détail est le suivant. À ce jour, nous avons 237 victimes, dont 171 femmes et filles. Donc parmi ces, 111 femmes, on a 17 femmes, donc majeures, et 154 filles mineures. On a aussi 37 hommes et 29 garçons. Donc, 66 euh, victimes euh, masculines donc 37 euh, hommes et 29 garçons, et que nous avons eu à héberger au niveau du centre. On a aussi fait office camp de refoulés de la, de la Côte d'Ivoire un moment. Et la DST a sollicité donc euh, le centre pour les héberger. Ils étaient au nom de femmes et enfants. Pour le moment, un, un petit accalmie parce qu'on ne garde pas éternellement ces victimes. On leur donne donc les soins nécessaires, les conseils qu'on leur publie nécessairement. Et par la suite, on, fait le processus de retour en famille, comme nous l'appelons. Si c'est des victimes donc nationales, on les ramène dans leur village d'origine. Et avec euh, l'aide de certaines ONG et des organismes internationaux, il y a un suivi qu'on fait pour que les gens ne retombent pas dans le même problème. Donc, euh, même des suivis financiers, économiques qui sont opérés par certaines organisations, dont l'OIM par exemple. Le centre de Zender est fait spécifiquement pour des chars, c'est une catégorie de personnes qu'on appelle victimes. C'est différent du migrateur de traite ou de trafic illicite de migrants ont été donc euh, poursuivis et même condamnés et les victimes ont été hébergées au niveau de ce centre des références au niveau du tribunal de grande instance. Et à cette date, on n'a aucune assistance de l'État. On se débrouille pour le moment des activités de traite que nous savons qui existent dans cette ville et à l'exploitation sexuelle. C'est de dénoncer ce genre donc d'activités et nous, nous allons pouvoir donc récupérer les victimes et les rapatrier chez eux. Il y a des marabouts aussi qui exploitent les talibés et tout ça c'est de la terre, je crois que ça continue et on sollicite vraiment que la, population dénonce ce genre donc de comportement et, quant aux victimes on peut les diriger donc vers ce centre-là pour qu'ils aient le soin nécessaire et qu'on puisse les chez eux.